L'essentiel de l'actualité, c'est sur 5 TV. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue. Euh, dans ce 20h, à la une de l'actualité, ce soir, le Sénégal se prépare activement euh, pour ces Jeux Olympiques euh, de la jeunesse Dakar 2026 en tenant compte de trois impératifs, a déclaré le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diarafaï. Ces conditions que vous allez découvrir dans quelques instants, JO Dakar 2026. Et pendant ce temps, la crise de la migration clandestine s'empire. Bogan Gaidan leader du mouvement euh, Gomes interpelle sévèrement le nouveau gouvernement. Il reproche au président de la République et à son premier ministre Ousmane Sonko de négliger les victimes et leurs leur euh, euh, Ces explications que vous allez découvrir. Et puis le délibéré du procès en diffamation opposant Aminata Touré à Mansour Faye et renvoyé jusqu'au 8 août 2024. Au sortir du tribunal, l'ancien Premier ministre a maintenu ses accusations de carnage financier euh, sur les fonds force Covid-19 en demandant ce fait soit traduit en justice. Voilà pour les titres de développement dans quelques instants. Mais tout d'abord, le président Emmanuel Macron a accueilli à l'Élysée ce vendredi 26 juillet 2024 le couple présidentiel sénégalais euh, Bassirou Diomaye et sa seconde épouse Absa Faye. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024, un événement marquant auquel le président français continue d'inviter les dirigeants du monde entier. Je vous le disais dans les titres, le Sénégal se prépare activement pour ces Jeux Olympiques JO 2026 en tenant compte de trois impératifs, a déclaré le président Bassirou Diomaye Tiarafay à Paris. Ces conditions que vous allez découvrir tout de suite avec euh, les propos du président que je propose d'écouter. n'étais pas à votre niveau, mais j'étais un peu pratique. J'ai régulièrement entendu exprimer cette frustration-là des athlètes qui ont représenté le Sénégal à haut niveau, qui ont fait chanter l'hymne national, qui ont levé haut le flambeau du pays et les couleurs nationales, revenir auréolé de gloire et que le pays fasse comme si de rien n'était. Je puis seulement vous garantir qu'à partir de maintenant, en tout cas sous mon gouvernement, que nous porterons une plus grande attention à ceux qui vont en compétition individuelle, notamment les disciplines qui sont ici et d'autres disciplines même qui ne sont pas ici. Euh, nous voulons avoir cet équilibre-là et cette équité entre les pratiquants parce que tous les sports se valent. Ce qui importe, c'est la passion et l'engagement avec lequel on pratique son sport, les efforts qu'il faut faire au niveau individuel en termes de privation pour engager souvent ses moyens pour faire partie des meilleurs. Et vous êtes déjà des champions parce que vous êtes le résultat d'une sélection rigoureuse au niveau national, souvent même au niveau africain, pour être présent à ces rendez-vous-là. Et par le sport et par votre persévérance, vous inspirez les autres à se battre loyalement pour s'imposer par leur expertise, leurs compétences et leurs mérites. Pour un sportif de haut niveau, les conditions de performance sont en effet nécessaires. Le président de la République, Bassirou Diomaye comprend les enjeux. Cette visite et sous ce rapport une source de motivation pour les athlètes engagés dans la compétition. Vous êtes exigeants par rapport à vous-même, mais si nous, nous, du côté de l'État et du côté de l'encadrement, du côté du CONOS, nous faisons ce que nous devons faire, nous serons à mieux même d'être à l'aise pour vous demander le maximum d'engagement et de performance possible. Nous allons aussi vers des Jeux olympiques de la jeunesse en 2026. C'est un rendez-vous important. Quand les rideaux seront tirés sur ce rendez-vous-là, les caméras seront braquées sur le Sénégal. Mais quel que soit ce qui va se passer pendant ces Jeux, retenez juste une chose, nous sommes déjà très fiers de vous et nous savons que votre tour d'expérience sera d'une grande utilité pour l'organisation des Jeux qui se profilent. Vous avez mes encouragements et mon soutien indéfectible et je vous supporterai de là où je serai. Vous n'entendrez peut-être pas mes cris, mais je crierai pour dire à chacun d'entre vous d'aller plus loin euh, je dirais peut-être à Mbanique de cogner fort, de de ne pas laisser. Euh, la prise, elle est bonne. Et à d'autres euh, de sauter plus haut les pour en tout cas que le drapeau puisse, l'hymne national puisse être entendu au podium. C'est possible. Des gens avant vous l'ont fait, ce pas des extraterrestres, c'est des Sénégalais comme vous qui l'ont fait. Et nous y restons toujours lors de son allocution au sommet des Jeux olympiques euh, du développement durable. Le président a insisté sur le respect des engagements convenus en soulignant la co-construction entre l'État, le comité euh, international olympique et le comité national d'organisation. Et autre chose dans l'actualité, madame, monsieur, pendant ce temps, la crise de la migration clandestine s'empire. Bougan Dani, leader du mouvement Gomsabop, interpelle sévèrement le nouveau gouvernement. Il reproche aux président de la plus capacité de ses victimes et leurs familles. Je vous propose d'écouter ce propos. président du gouvernement clandestine gis nga ñaari qui nit été nañu ci des lu ont ak durant euh, fuk nit di ci ont été rek lu lañu sauvé gu 300 personnes ba ont gouvernement du Sénégal du président du gouvernement bu été kàddu moonte de jeunes yooyu tey di dem ci géej gi yaakaar bu rëy lañu ñu placé wa ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi ñooñu di dem ci géej gi tey bokk na ci jakartaman yi nga xam ne alkaati yi ak lu xeetoo dañu leen di kar ci tali bi di nangu seeni moto moonte de defuñu lu may góor góorgóorlu ngir mun a teral seeni wéyjur tekkee ci réew mi marchands ambulants yi ñu téré len lal di dal ci sen kaw monte ay sénégalais lañu yo xamné ne dañu sét ban yoon lañu mëna def pour régler seeni problèmes bop monté état mo leen ko warona a régler regardez les travailleurs des collectivités territoriales danaka at kenn faalewu len ñu melni bokku ñu ci Sénégal té li ñuy laaj seen droit la nguur gi fi nek diggoon sénégalais yi ne dina régler seen problème tout le monde s'est rendu compte que c'était une c'est une nous chérie ñep xamnañ né naxé la ci moment nous ñi président de la république defna kilomètres ak kilomètres di tambal un migrant de luxe fu mu fa ma France monté dañu dañuy France monté dañu loxo bi France ci Sénégal dañ koy ana dige yooyu ana waxu franc CFA ana dañu fi dindi caisse noire bi président di jël di pasar pasare ana luñ ci def ana lu ñu waxoon ne dañuy rationaliser alalu état bi jaaree ko ci agence yi ak direction yi wàññi ko mais li fi Ablaye Wade indi woon Macky Sall dooleel ko bi ñu ñëwee nit ña fa nekkoon la ñu rocci ñoom ñii fi ne dugal sen clientèle politique yegg nañu sax légui ba ci placer ay papa yaay dom ci bir gouvernement def ko yëfi mbokk tay ji sénégalais yi tey la ñu gën a jaaxle sénégalais yi am problème mo waral mbëkk mi nga nga gis nit ñi di jëlat gal gi di dugg ci géej gi di ci taylé sen bakkan ken alors, c'était le euh, président Bougan du euh, mouvement euh, Bob exactement, qui s'est prononcé euh, et interpelle sévèrement le nouveau gouvernement. Il reproche au président de la République son Premier ministre Ousmane Sonko de négliger ce fléau, mais aussi de négliger ses victimes et leurs familles exactement. Mesdames, Messieurs, une information euh, à la dernière minute sont les résultats de l'autopsie sur les trois enfants retrouvés morts dans une voiture en panne et sont connus. Ces enfants de Caroy-sur-Mer euh, sont morts euh, d'une mort naturelle, renseignent leurs parents qui ont reçu les résultats de l'autopsie. Aucune trace de violence n'a été observée sur le corps. Euh, ils n'ont ni été étanglés, euh, empoisonnés ou tués. Ils sont juste retrouvés à bord de la voiture, ne trouvant pas une issue pour sortir. Ils sont étouffés. Toutefois, la prise en charge psychologique des euh, proches et des victimes ont est sollicité autant pour moi de la part des autorités ainsi que l'enlèvement des véhicules en panne dans cette localité. Et puis l'autre jour dans l'actualité, c'est le délibéré du procès en diffamation opposant Mansoufay à Aminata Touré et renvoyé euh, jusqu'au 8 août 2024. Au sortir du euh, tribunal, l'ancienne euh, première ministre Aminata Touré a maintenu ses accusations de carnage financier sur les fonds, sur les fonds force COVID-19 en demandant que Mansoufay soit traduit en justice. Et voilà, mesdames, messieurs, c'en est tout pour ce 20h. Merci beaucoup de l'avoir suivi, mais également l'ensemble des équipes en régie de la rédaction. Merci beaucoup de votre conscience et votre fidélité. Nos programmes se poursuivent euh, sur sénégal5.com. D'ici là, passez des excellents moments en notre compagnie. Bonsoir.